le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec l'actualité dans le nord du Niger, plus précisément à Agadez et à sa frontière avec l'Algérie et avec le phénomène, la recrudescence du phénomène du rapatriement forcé des migrants subsahariens vivants ou de passage en Algérie vers le Niger. Depuis plus d'une semaine, plusieurs migrants subsahariens de passage ou résidents en Algérie font l'objet d'un rapatriement forcé en direction d'Agadez au Niger. Au Niger, euh, le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrants, pour les, pour les migrations, Jotep Lopret, joint ce matin au téléphone, déplore la non-implication de son institution par les autorités algériennes et nigériennes pour ce rapatriement. On l'écoute. Joseph Lopret, bonjour. Bonjour plusieurs euh, migrants ont été euh, refoulés d'Algérie. Dans quelles conditions a eu lieu ce refoulement oui, euh, en réalité, on n'a pas eu trop d'informations. Euh, on sait qu'il y a environ 1000 euh, migrants de toutes nationalités, donc des nationalités de l'Afrique de l'Ouest, et aussi environ 180 migrants de nationalités nigériennes. Donc, euh, il y a un convoi qui serait déjà en direction vers le Niger mais on a très peu d'informations. Honnêtement, le, Niger n'a pas été saisi officiellement pour cette euh, assistance. Et donc, euh, l'information qui est disponible à ce moment n'est pas suffisante pour évaluer les conditions dans lesquelles euh, cette opération est en train de se mettre en œuvre. Est-ce que l'OIM va intervenir dans la prise en charge de ces migrants non, justement, comme on n'a pas d'informations, on ne peut pas intervenir parce que c'est pas clair si c'est un mouvement forcé, donc euh, c'est un rapatriement et c'est pas fait sur base volontaire. Selon certaines informations, les migrants n'ont euh, pas décidé euh, de revenir vers leur pays. En tout cas, pour évaluer la, la volontarité. L'OIM Algérie, euh, ou normalement les deux, OIM Niger, OIM, Algérie, devraient travailler ensemble avec les migrants pour euh, évaluer cet aspect qui c'est l'aspect euh, principal pour nous. Si le migrant ne veut pas rentrer chez lui, l'OIM ne peut pas s'impliquer. pour les migrants nigériens qui rentrent dans leur pays, on a donné notre disponibilité. Ça, c'est fait dans les cadres je pense, du rapatriement d'Algérie qui a commencé en décembre 2014. Donc, euh, pour les Nigériens qui doivent rentrer chez, eux, euh, normalement, c'est dans la région des Anders ou Ottawa. On coordonne avec les autorités, euh, le préfet d'Arlit ou les autorités à Gadez, pour voir quel type d'assistance on peut donner. mais donc, il y a deux situations différentes. Les Nigériens qui rentrent chez eux et les autres nationalités, donc on n'a pas d'informations, on ne sait même pas combien exactement et dans quel pays il veut rentrer. Je pense qu'il s'agit d'un passage au Niger, donc un transit, et après les autorités des deux pays devraient normalement avoir euh, un plan pour euh, continuer le voyage après le Niger vers les, vers les pays d'origine. Selon vous, pourquoi euh, les autorités algériennes et nigériennes n'ont pas voulu collaborer avec l'OIM Niger non, ça dépend de la situation. Comme je dis, il y a eu, euh, à partir de décembre 2014, 46 convois euh, de rapatriés d'Algérie. Euh, dans ce cadre, on a bien collaboré et on a essayé de donner notre disponibilité pour l'assistance humanitaire. Dans ces convois, il y a souvent des femmes, des enfants. Donc, tous les convois se sont arrêtés dans les centres d'Agadez de l'OIM, quand même un jour, au maximum deux jours et après ils ont continué vers leur pays d'origine. Pour les autres migrants, les migrants eh, d'autres nationalités, il y a une procédure eh, à suivre. Donc soit les migrants doivent venir eh, de façon spontanée chez l'OIM ou référés par les autorités ou les autres partenaires. autrement, on ne peut pas s'impliquer. J'imagine que cette opération en particulier a été faite d'urgence, donc euh, pour des raisons qui, honnêtement, je ne suis pas claires. Comme il y a eu pas de coordination. Peut-être les, autorités ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de, d'impliquer l'OIM dans cette opération et donc euh, l'opération est de facto déjà en cours. Alors, euh, selon vous, qu'est-ce qui explique euh, cette urgence du rapatriement, d'urgence des migrants en territoire nigérien je vous, comme euh, euh, vous êtes à connaissance, bien sûr, à travers les médias internationaux. Donc, j'ai vu la situation en Algérie. Je crois comprendre qu'il y a, il a eu un regroupement des migrants qui étaient dans différentes villes, surtout Alger. Et ces migrants ont été transportés à Tamaracet, où il y a le camp euh, qui géré par les autorités algérienne. Et, euh, je ne sais pas exactement les raisons pour, pour lesquelles euh, il y a eu une, type d'urgence. Peut-être qu'il euh, il y a des problèmes de troubles sociaux et la présence des migrants peut créer une tension dans, dans, les communautés en Algérie ou peut-être il y a d'autres décisions qui ont été prises par les autorités. Donc sur le territoire algérien, c'est l'Algérie qui, qui gère justement. Donc euh, nous, on peut pas, on peut juste regarder ce qui se passe, mais on peut pas savoir exactement les raisons de, de la décision. Euh, nous pensons que même dans des cas d'urgence comme ça, il faut la coordination avec tous les acteurs et euh, pour mieux gérer la situation, éviter d'autres problèmes parce que voilà, c'est pas juste une question logistique de transporter les migrants, il s'agit de de, s'assurer que bon, un, les voyages soient faits dans les bonnes conditions, deux, qu'il y a euh, à destination que les autorités soient prêtes pour, euh, pour les assister et euh, pour prendre les mesures d'urgence. Et troisième point, il faut, pour les migrants qui ne sont pas de nationalité euh, nigérienne, la coordination avec les autorités dans les pays d'origine. Donc, euh, j'imagine que tout ça a été fait, même dans l'urgence, mais euh, dans ce cas, pas, euh, à travers l'OIM qui, normalement, fait cette de coordination. Est-ce que l'OIM a eu à gérer des situations d'urgence comme ce qui se passe actuellement à nos frontières dans la région d'Agadez oui, bien sûr. Juste pour rester dans le cadre de l'Algérie, depuis décembre 2014, environ 17 000 migrants ont été rapatriés. Euh, donc c'était une opération des deux gouvernements d'Algérie et du Niger qui, et, l'OIM a été impliqué surtout à Gadez et à Zander où avec les deux communautés euh, locales euh, on, a essayé de gérer une situation qui est toujours d'urgence. Il s'agit de convois parfois de 800 personnes, dont beaucoup de femmes et enfants. Donc, euh, c'est toujours une situation d'urgence c'est en situation euh, difficile à gérer, euh, surtout les conditions de la route, la, traversée du désert et, tous les défis qu'on connaît bien ici au Niger. En général, il y a aussi les, les, les migrants qui reviennent d'Algérie et de Libye aussi euh, et d'autres pays. Et là, c'est aussi une autre situation où l'OIM est impliqué depuis, depuis toujours, on peut dire, depuis la crise libyenne, mais surtout euh, les années 2015 et 2016 ont été très, euh, on était très sollicités par ce type de retour et on parle d'environ 5000 retours, surtout des citoyens de la CDAO et nationalités toutes nationalités confondues, donc Sénégal, Gambie, Mali, euh, Nigeria, hein, parmi les autres. Et, tous ces migrants restent à Agadez ou dans la région d'Agadez en certaines périodes avant de rentrer dans leur pays. Donc c'est là où l'OIM, à travers tous les réseaux des centres de transit, peut donner l'assistance. Euh, depuis le début de ce refoulement euh, des migrants en direction du Niger, est-ce que l'OIM a eu à rencontrer les autorités nigériennes dans ce sens Oui, on s'est coordonné surtout au début 2015, au tout début de l'opération. On avait clarifié le, le, cadre dans lequel euh, cette opération a été décidée. Donc c'était une, décision concertée entre l'Algérie et le Niger. Euh, avec l'objectif de faire rentrer les personnes qui sont en situation de vulnérabilité en Algérie. C'est pour ça que je disais les femmes et les enfants qui notamment sont euh, impliqués dans la mendicité dans les roues, par exemple, ou hum, voilà, qui sont des situations euh, difficiles. On a pas mal de cas de, très vulnérables parmi les, les, 17 000 qui sont rentrés euh, à partir de 2014. Donc, euh, et après, on a une coordination. Chaque convoi, il y a toujours un comité qui, qui se réunit à Gadez et après à Zander, si Zander c'est la destination finale, pour concerter avec les autorités euh, les opérations, donc quel type de besoins, normalement la nourriture pour quelques jours, l'hébergement s'il doit rester à Gadez la nuit ou deux nuits. Euh, l'accord, c'est de, rester maximum 72 heures à Agadez, donc pour ne pas faire trop de, des étapes dans les voyages et rentrer dans leur village d'origine euh, le plus tôt possible. Euh, on parle, comme toujours, des, quand on dit Zander, on dit le département de Canché surtout. Donc il y a une coordination, mais les défis sont en tout cas importants. Alors, est-ce que l'OIM a les moyens actuellement d'intervenir euh, pour un peu soulager les souffrances euh, de ces migrants Oui, bien sûr. On, a, bon, on est impliqué, on s'engage, on a les bailleurs de fonds qui sont derrière nous, euh, l'Union européenne, mais déjà l'année passée, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne toujours. Donc, euh, on essaye d'intervenir de, euh, le plus tôt possible pour euh, éviter des problèmes encore majeurs. Donc, les migrants qui arrivent dans les centres sont tous les mois dans des conditions de vulnérabilité. On a beaucoup de gens qui arrivent même blessés, blessés par balles ou mm, à cause du voyage ou à cause de l'attaque des bandits à partir de, la Libye, par exemple. Tous les besoin appui psychosocial aussi, donc on a les psychologues même dans les centres pour, euh, les aider à euh, faire face à peur ou le sentiment de, d'échec qui est dans, les migrants avant d'être de rentrer chez eux, par exemple. Donc on a tout, on a, on a les moyens et on a le système pour euh, le mécanisme pour, pour les aider jusqu'à leur maison, donc jusqu'à quand ils rentrent dans leur pays d'origine ou bien dans les villages au Niger quand il s'agit de, migrants nigériens. Donc euh, c'est une opération en tout cas très lourde qui, j'imagine, va continuer hum, quand même euh, l'année prochaine. On a beaucoup de migrants qui sont à ce moment, bon, en Algérie, on a le témoignage euh, de, dans ces jours qu'il y a encore beaucoup de migrants qui sont en Algérie en situation d'irrégularité ou quand même de vulnérabilité en Libye, on a beaucoup, euh, donc des milliers de migrants qui sont là, qui n'ont pas les moyens pour continuer ou pour rentrer au Niger. Donc, sur toute cette situation, l'OIM peut s'impliquer, s'engager et euh, intervenir dans tous les sens. Giuseppe Lopretto, on vous remercie. Je vous en prie. C'était là le chef d'émission de l'Organisation internationale pour les migrations, Joseph Lopret, joint ce matin au téléphone euh, qui commente la situation actuelle des migrants à Agadez. Agadez constitue aujourd'hui un centre de transit pour les migrants ouest-africains. C'est aussi la porte de l'Europe selon d'autres. Chaque jour, la ville accueille des centaines d'hommes, hommes, femmes et enfants tous des candidats à la migration, une situation qui inquiète beaucoup mais qui remplace visiblement la place du tourisme, en l'une des activités principales de la région d'Agadez. Ahmed Foudé Tarnan est parti rencontrer Rissa Feltou, il est le maire d'Agadez sur, cette situation. On l'écoute. Agadez, c'est le centre du Niger, il ne faut pas l'oublier, et une ville de renommée donc, de l'histoire les civilisations, ce qui fait qu'effectivement on se retrouve au carrefour entre l'Afrique noire au sud du Sahara, le Maghreb, donc une porte, comme vous dites, presque toute faite en direction des pays maghrébins d'abord, euh, en direction de l'Europe, ce qui fait que ces cinq dernières années, nous connaissons effectivement une activité très importante autour de la migration, non seulement qui pose des problèmes ailleurs, qui sont donc intéressés par l'Europe. Est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, freiner la migration à partir Guadeloupe C'est pour ça que c'est devenu une question importante à laquelle effectivement on a associe trop souvent la ville d'Agadez. Mais de tout le temps, Agadez a été un carrefour. C'est un lieu de passage. C'est pas un pays émetteur de migrants ou un pays à partir duquel parlent les migrants. Tous ceux qui viennent à Agadez sont en transit. Comme je le disais tantôt, Agadez, est c'est la ville de transit. Donc tous ces migrants viennent effectivement, poser le problème aujourd'hui à Agadez parce qu'ils ont posé le problème en Europe et que l'Europe veut nous refiler effectivement le problème à Agadez. Mais entre-temps, cette activité est une activité économique de première rang après la fin du tourisme qui a fait vivre cette ville, qui a fait vibrer cette ville, qui a fait la renommée de cette ville. Mais la disparition du tourisme, qu'est-ce qu'il y a Il y a cette question de l'immigration. Et aujourd'hui, la migration est devenue une menace pour l'Europe. Et donc, plutôt revenir, on veut la reculer pour qu'elle devienne un problème à Agadez. Nous, nous disons non, tout simplement. Éviter qu'elle devienne un problème à Grèce. il faut d'abord que les gens d'Agadez eux-mêmes soient concernés par la question, débattus de la question, en que les Nigériens et même à débattre de cette question. Monsieur le maire, quelles sont les mesures que votre entité a prises pour arrêter la migration, ne serait-ce qu'un peu Nous n'avons aucune mesure particulière à prendre, nous, à notre niveau, en tant qu'entité décentralisée. Nous subissons, par contre, effectivement, les effets des lois de la République. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen d'accompagnement et d'atténuation des conséquences de ces lois de la République que nous sommes obligés de respecter. Par ailleurs, nous disons que nous n'avons pas de décisions à prendre parce que nous nous retrouvons, nous, dans un espace qu'on appelle l'espace de la CDAO. Tous ces migrants, en tout cas la majorité, sont des ressortissants de la CDAO. Par conséquent, nous n'avons pas, nous, pouvoir de prendre des décisions par rapport. Nous avons pouvoir de, de, prendre des décisions, effectivement, tout simplement quand il s'agit de la sécurité de nos concitoyens ou de l'intérêt de notre ville, notamment d'éviter ou d'atténuer les conséquences de la pression de la migration au niveau de la ville d'Agadez. Vous savez que c'est une ville très souvent de septembre à mars qui triple sa population parce que cette période moins chaude est propice au voyage, relativement en termes de climat et de voyage parfaitement agréable pour que les uns et les autres se déplacent. Et c'est en cette période que nous triplons même de notre population et tout ce poids, toute cette pression donc est faite sur la ville à la fois pour des raisons de santé, pour des raisons euh, pour la pression euh, alimentaire, pour la pression, etc., etc. Je ne dis que la migration est forcément source de problèmes, non. Il y a une migration, effectivement, qui est intéressante et qui fait la richesse d'un pays. Et ce qui fait la richesse d'Agadez, c'est effectivement, c'est un carrefour d'échanges de ceux qui viennent, de ceux qui partent. Et c'est ce que nous souhaitons plutôt euh, positiver avec nos partenaires, je pense, qui posent la question donc des migrations. Et c'est pour ça que les universitaires s'intéressent à la question pour que Agadez puisse profiter de ce qui peut devenir pour elle un poids pour son développement. Monsieur le maire, il y a ceux qui pensent que les bases étrangères à Agadez, c'est une façon aussi de contrer la migration. Est-ce que c'est vrai, monsieur le maire Quel commentaire avez-vous à faire Non, je ne pense pas que, à ma connaissance, que les forces étrangères soient arrivées pour contraindre la migration. Mais euh, plutôt, euh, il ne faut pas oublier en temps soit paix l'histoire de euh, de la sous-région en général et euh, de, tous ces foyers de tension qui menacent ou qui se passent autour du Niger et qui intéressent à la fois le Niger lui-même et ces pays d'où proviennent ces forces étrangères. Donc c'est plutôt une question d'intérêt global qui se pose aujourd'hui par la présence des forces étrangères au Niger. Je pense que la menace qui est en proie à tout le monde autour de notre pays et dans notre pays aujourd'hui est une question aussi de solidarité quelque part avec le Niger. Et c'est un pays vaste, il faut, pas, il faut le reconnaître, même si par ailleurs euh, on peut euh, ici et là discuter, donner son point de vue. Euh, je pense que les forces étrangères qui sont présentes dans notre pays ne, pèsent pas, ne sont pas une menace. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'était la Rissa Feltou, maire d'Agadez, sur la situation de la migration sur place à Agadez. Le phénomène de la migration fait également partie des discussions du Conseil régional de la jeunesse d'Agadez, la région qui constitue aujourd'hui le centre de transit des migrants en direction des pays du Maghreb, mais aussi de l'Europe. Atarnana Foudé Ahmed est allé également à Agadez rencontrer Ousmane Abdraman Koutata. Il est le président du Conseil régional de la jeunesse d'Agadez. On l'écoute. Agadez, départ l'histoire, est un carrefour du transit. Donc la elle a existé pour Agadez, tout simplement parce qu'Agadez constitue les ponts entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Tout simplement parce que le Maghreb constitue les ponts entre l'Europe et l'Afrique. Maintenant, ça nous fait mal quand nous voyons à chaque fois à la télévision des images dramatiques de jeunes Africains qui meurent dans le désert ou dans la Méditerranée au vu aussi de la communauté internationale. Pour parler des enjeux de la migration ou bien du problème de la migration, il faut aller au fond du problème. Aujourd'hui, ces jeunes, c'est parce qu'ils sont confrontés au chômage, c'est parce qu'ils sont confrontés à certaines inégalités sociales dues aux politiques de ces pays, c'est parce qu'ils espèrent avoir un Eldorado en Europe. Quelque part, nous disons aussi, c'est ce sentiment d'avoir été pillé pendant des années par l'Occident qui pousse nos jeunes d'aller à la recherche de ce bien-être qui nous a été privé. Parce qu'il n'est pas aussi à perdre de vies que l'Afrique, de par son histoire, a été exploitée par l'Occident qui aujourd'hui lui refuse l'accès. Donc tous ces aspects concourent à avantager et à encourager les jeunes à aller dans la migration. La migration a permis à un certain nombre de jeunes de la région d'Agadez de décrocher un métier, un métier aujourd'hui qu'on appelle le passeur. Est-ce que pour vous c'est bon aujourd'hui qu'un jeune de la région soit le passeur des migrants Bon, passeur, je dirais non. Mais les transporteurs, je dirais oui. Parce que c'est vrai, l'État du Niger a adopté une loi selon laquelle eh, cela est comme une traite des personnes. nous sommes tout à fait d'accord parce que quand on met 30 personnes 40 personnes dans un pick-up à l'air libre pour les amener, ça constitue un danger pour ces gens parce que quelqu'un peut tomber, il peut mourir. Mais maintenant, il faudrait aussi sensibiliser ces jeunes qui font ce travail. Parce que pour eux, c'est du transport qu'ils font pour gagner leur vie et nourrir leur famille. Pour eux, la notion de traite des personnes, ils l'ont même pas en tête. Pour eux, c'est juste un transport. Aujourd'hui, ce métier de passeur des migrants a été interdit par une loi récemment adoptée. Comment vous interprétez cette interdiction Comme je l'ai dit, nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Mais nous aurions souhaité que l'État du Niger, en adoptant cette loi, il passe informer, sensibiliser ces jeunes transporteurs, leur faire comprendre les enjeux et les tenailles aboutissant de leur travail. Maintenant, si ces jeunes récidivent, applique la loi, qu'on les arrête, qu'on les enferme. Mais du tic au tac, nous sommes dans un pays où la majorité est analphabète jusque-là. Je m'excuse du taux de l'alphabétisation, je suis désolé. Jusque-là, les taux, il est très bas au Niger. Du coup, ces gens n'interprètent pas la même façon que nous, nous allons interpréter cette loi, de la même façon que nous, nous allons accueillir cette loi pour dire que c'est vraiment une bonne chose. Ce qui est bien, c'est que c'est une bonne chose d'interdire la traite des personnes. Je pense que ça serait bien qu'une mission de sensibilisation pour vulgariser cette loi au niveau de ces jeunes passeurs entre griffes, parce que pour moi c'est des transporteurs, qu'ils comprennent que c'est un travail de traite, qu'ils cessent et qu'ils arrêtent de le faire. Maintenant, une autre alternative, aussi, nous sommes dans un espace CDAO. Et aussi, il faudrait que ces passeurs qui viennent de Niamey, qui se font exploiter de Niamey jusqu'à Agadez, pourquoi cette chaîne se brise à Agadez Donc autant sensibiliser les migrants d'arrêter depuis Niamey ou bien d'arrêter depuis les villes frontalières du Niger, de retourner. Malgré que nous sommes dans un espace CDAO, si nous voyons que c'est des candidats à la migration qui veulent venir à Agadez pour transverser, aller se faire chier dans les déserts ou de la Méditerranée, on peut stopper cela à partir des zones frontalières du Niger. Mais ces migrants, la plupart sont ici de l'espace CDAO et je pense que quand on dit l'espace Sediao, Niger est inclus, Agadez est inclus, Sigidim est inclus. Euh, vous voyez, ils peuvent aller jusqu'à Sigidim parce que certaines autorisent de partir. Et pourquoi, à votre niveau, vous pensez qu'il faut les arrêter à partir de J'ai dit, je n'ai pas dit de les arrêter. J'ai dit, malgré que nous sommes dans l'espace Sediao, ces jeunes qui traversent pour venir jusqu'à Agadez, ils se font exploiter. Il y a des passeurs qui sont quelque part dans leur pays d'origine, dans les autres localités qu'ils traversent, jusqu'à arriver à Agadez. Maintenant, quand cette chaîne se brise à Agadez, Ok, Pourquoi ne même pas les stopper, les arrêter dès le départ si c'est des candidats à la migration, de leur dire que la migration, ça ne va pas. Si c'est pour la première migration, vous ne passez pas. Maintenant, si c'est pour aller travailler jusqu'à Sigdim, ça c'est le Niger, c'est l'espace CDAO. Nous sommes libres de circuler là-dedans. Mais convenez avec moi que ces jeunes qui font leur transport, s'ils disent qu'ils vont à Sigdim, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont à Sigdim Rien. La preuve, c'est des milliers de personnes qui meurent. Donc il faudrait en fait qu'il y ait une solution commune. Il faudrait que des dès leur pays de départ, qu'on sache, qu'on sensibilise, qu'on fasse une action commune pour contrer la migration illégale et clandestine. Ça, je le dis. Parce qu'on ne peut pas empêcher la migration. La migration, là, ça a existé, ça existe et ça va continuer à exister parce que les peuples, les peuples échangent entre eux, échangent des communautés, échangent des traditions, échangent des religions, échangent des cultures, échangent beaucoup de choses. Et c'est à travers la migration que cela a fait. Et cette migration, c'est ce qui a permis de couvrir l'Amérique, ce qui a découvert, qui a servi de coloniser l'Afrique elle-même. Si ce n'est pas par la migration, les Africains ne seront pas colonisés, ni Rappeler à ces candidats à la migration les dangers qui les attendent sur leur parcours de rejoindre l'Europe ou les pays maghrébiens. je, voudrais à ce que les jeunes, je ne parle pas du continent, parce que les Africains sont liés de par l'histoire, et que personne ne va venir la construire à notre place si nos, intelligences, nos compétences vont vider l'Afrique pour aller quelque part construire des pays, c'est que l'Afrique va rester toujours si développée. D'ailleurs, un thème que nous n'acceptons pas qu'on on parle de, toujours du sous-développement de l'Afrique et c'est à cause de nous jeunes. Maintenant, nous sommes d'accord de partir chercher les connaissances. Nous sommes d'accord de partir chercher les compétences. Nous sommes d'accord de partir pour visiter mais il faut qu'on sache que personne d'autre ne viendra construire l'Afrique à notre place. Nous appelons aussi nos dirigeants, nos gouvernants, nos différents gouvernements de l'Afrique, promouvoir ce qu'on appelle la bonne gouvernance, à permettre une formation de qualité à la jeunesse, à permettre de véritables démocraties en Afrique à permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves, à permettre à ces jeunes de construire leurs rêves et à permettre surtout à l'Afrique d'être au rendez-vous. Monsieur le Président, certains de ces jeunes ont construit leur avenir à Gadez à, travailler, à travers l'ouverture de ce qu'on appelle ghetto. Comment aussi interprétez-vous cela On ne peut pas construire de l'illégalité. On a construit, c'est vrai, mais je le dis, nous sommes d'accord que les jeunes qui font du transport pour ils font du transport. Mais nous sommes contre les gens ou les jeunes qui exploitent les personnes pour s'enrichir. Parce que la personne humaine, elle est sacrée. Et dans toutes les questions du monde, cela constitue un article. D'abord, l'un des premiers articles. La personne humaine, elle est sacrée. Et sa préservation s'impose à tout État. Donc nous pensons que l'État du Niger, en faisant cela, est tout simplement en train de remplir une de ses missions régaliennes, celle de défendre et de sécuriser les populations. Maintenant, ceux qui ont commencé peuvent laisser au profit d'une activité légitime, légale, ça nous sommes d'accord. Mais par la traite, nous ne sommes pas vraiment, nous n'encourageons aucune personne et nous ne soutiendrons personne à aller dans une dérive qui va le pousser à utiliser et exploiter des êtres humains pour s'enrichir. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. C'était là Ousmane Abdraman Koutata. Il est le président du conseil régional de la jeunesse d'Agadez. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et des ONG de lutte contre la migration illicite s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de chasse à la peau noire en Algérie. Manu Nabra Hamidou en fait partie. Il est le président de l'ONG Jeunesse, Enfants, Migration et Développement, une organisation non gouvernementale nationale spécialisée dans les questions de migration et de traite des personnes. Pour lui, cette façon de faire des autorités algériennes n'est pas conforme aux règles. Il est interrogé par Diallo Mariama Kenda. Cette opération ne date pas de cette dernière. Hein. Depuis 2013, si vous vous rappelez, le chef du gouvernement a annoncé euh, au niveau de l'Assemblée nationale que le gouvernement du Niger, en collaboration avec les autorités algériennes, est en train d'organiser le rapatriement d'environ 3000 migrants nigériens qui se trouvent en Algérie dans une station de mendicité de rue. Il se trouve aussi qu'une forte majorité, donc à plus de 80%, sont des femmes et qui ne font que la mendicité avec les enfants en Algérie. Donc cette euh, action initiale de concert avec les autorités religieuses a, eu lieu en 2014-2015 et d'après les chiffres que j'ai avec le ministère des Affaires étrangères, notamment le Haut conseil des Nigériens de l'extérieur, il y a plus de 10 000 qui ont été rapatriés depuis le lancement de cette opération-là. Donc la dernière n'est qu'une suite de cette série d'opérations de rapatriement des Nigériens. Et la dernière, euh, je veux dire la, première tout à l'heure, euh, vous avez parlé d'un processus. La première était en date euh, combien La date, je ne me rappelle pas exactement du mois, mais de 2014. Donc 2014-2015, le rapatriement avait continué avec euh, l'appui de, l'Organisation internationale pour l'immigration. Donc c'est une opération entre l'État du Niger, l'OIM et les autorités euh, algériennes et qui a consisté, comme je l'ai dit, à une série de rapatriements des, migrants nigériens qui se trouvent en Algérie dans une situation irrégulière. Est-ce que cette fois-ci, ce rapatriement a une envergure plus grande Oui, surtout par rapport à la façon de le faire. en tant qu'organisation de la société civile, on défend quand même euh, les droits des personnes qui sont en mobilité, donc les droits des migrants. Quelle est cette façon de le faire Alors, c'est à travers l'observation de la façon dont on gère, de la dénonciation aussi de tous ceux qui atteignent aux droits des personnes euh, migrantes. Donc, on a vu que dernièrement, les autorités algériennes ont fait en quelque sorte une rafle pour ramasser, y compris des Nigériens qui travaillent en Algérie, qui se trouvent euh, obligés de partir, laissant derrière eux tous ceux qu'ils ont comme euh, bien. Ça veut dire que des Nigériens qui ne sont pas dans cette situation de, migrants ah, Oui, mais euh, en fait, la, migration irrégulière, oui, c'est-à-dire des personnes qui sont en Algérie et qui n'ont pas les papiers les autorisant à y résider. Et donc, euh, même si un migrant, qu'il soit irrégulier ou régulier, a quand même des droits en tant que personne humaine, et ça c'est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par un certain nombre de protocoles aussi qui sont relatifs aux migrants, aux personnes à mobilité. Et donc ça, là, ça devrait être respecté, malgré que l'opération de rapatriement relève de la souveraineté d'un État. Maintenant, dans l'exécution de cette euh, action qui est un pouvoir d'un État, il y a des normes. Il faudrait qu'elle respectent justement les droits de ces personnes à mobilité, quelle que soit leur situation régulière ou irrégulière. Et ça veut dire que les autorités algériennes peuvent être poursuivies En tout cas, selon les normes internationales, les autorités algériennes euh, n'ont pas respecté un certain nombre de normes et ces protocoles signés ont prévu des mécanismes ça C'est-à-dire que la société algérienne, par exemple, peut justement euh, voir les institutions d'abord nationales de protection des droits de l'homme à l'intérieur du pays pour dénoncer un certain nombre de choses. Et les, les institutions nationales en chef des droits de l'homme sont habilitées à recevoir ces plaintes-là et à, à, se prononcer par rapport à ça. Ou alors les, organes des traités, c'est-à-dire que chaque traité consigne, on prévoit un organe qui va veiller à ce que les États qui ont signé exécutent. Et en cas de non-respect, il peut y avoir des sanctions qui soient. Et à mon avis, c'est aussi parce qu'il y a eu cette euh, approche euh, plus ou moins violente, plus ou moins non respectueuse que la dernière opération a plus interpellé tout le monde, la presse, les journaux. J'ai vu pas mal que ce soit Jeune Afrique, RFI, France 24 qui parlent de la chasse à l'homme noir. Parce que dès que vous êtes euh, de peau noire, on vous ramasse justement pour vous rassembler dans des camps afin que vous soyez reflés. Et il n'y a pas de Niger, il y a, c'est pas seulement des Nigériens, c'est de façon générale tous les subsahariens qui sont en, Algérie. Donc cette opération est dénoncer par les défenseurs des droits humains et nous on, on le fait déjà. Si s'il devait y avoir poursuite, par qui, qui devrait le faire S'il devrait y avoir des dénonciations ou alors des saisines d'institutions, la société civile d'abord, selon ses statuts, peut le faire, mais aussi les institutions nationales des droits de l'homme. Ici au Niger, par exemple, on a une CNDH, Commission nationale des droits, euh, des droits de l'homme, et vous avez dans d'autres, dans la majorité des pays, des institutions comme ça, qui peuvent interpeller les pouvoirs publics face à certaines choses, prendre des mesures administratives ou alors euh, saisir la justice en tant qu'institution indépendante Et bien sûr, à côté de cela, il y a cette, euh, action que la société civile et peut le faire. Et en dehors même du territoire, comme je l'ai dit, la société civile ou les, autres institutions qui peuvent le faire légalement peuvent saisir les organes des traités. On a par exemple une convention internationale relative à la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. On a cette déclaration universelle des droits de l'homme et le Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est habilité à recevoir des communications de la société civile face à des cas de violation et il peut être amené à faire des investigations. Et bien sûr, vous avez toutes les ONG internationales aussi, Human Rights Watch et toutes, qui peuvent euh, quand même agir, soit dans le sens d'influencer, soit dans le sens justement d'amener un État à répondre devant la justice de sécurité. Alors, euh, vous avez parmi ces migrants, ces migrants nigériens qui reviennent aujourd'hui, ne sont plus des migrants chez eux, mais des refoulés. Est-ce que ces personnes-là, parmi ces personnes, vous avez peut-être un certain nombre de ressortissants d'une région qui, qui est quand même euh, dominant Alors euh, déjà en 2015, selon un document de l'Organisation internationale que j'ai vu, à la date euh, de novembre 2015, les migrants qui ont été rapatriés sont à plus de 70% ressortissants de cantier. Donc, bon, plus globalement de la région des Indes, mais spécifiquement de la région du département de cantier, qui est aujourd'hui un département connu par le fait que justement il y a beaucoup de femmes de ce département-là qui se déplacent avec des enfants et qui partent à en Algérie pour euh, Mandier. Donc il y a cette euh, localité qui est spécifiquement concernée par ce phénomène. Quelles pourraient être les conséquences aujourd'hui du rapatriement de tous ces, de tous ces migrants Beaucoup de problèmes. Moi, j'ai personnellement visité Kanté euh, pas moins de 4 à 5 fois et j'ai vu que les ressources que cette migration génère sont très importantes au niveau de ces communes-là. C'est un instrument adopté par beaucoup de ménages pour lutter contre la pauvreté, pour la survie, parce qu'on a... Vous avez une une zone qui a beaucoup de problèmes, de difficultés économiques. Et donc, euh, ces femmes gagnent euh, beaucoup d'argent en Algérie qu'elles envoient à leur famille restée au village et qui sert à améliorer, si vous voulez, les conditions de vie. aujourd'hui, les rapatriements mettent fin à toutes ces ressources-là. Et d'autre part, ça devient une charge pour les ménages parce qu'une femme qui prend cinq enfants, trois enfants pour aller avec elle en Algérie, quittant un foyer qui souffre déjà d'un manque de nourriture, quand elle va revenir sa ressources, il y a cinq personnes qui vont venir s'ajouter à la grande famille, qui devient un notre euh, problème de sécurité alimentaire des ménages. Et l'autre défi, justement, c'est que ces femmes-là doivent être réintégrées. Donc, c'est un autre problème. Ils peuvent se confronter à un problème de réintégration euh, socio-économique. Et vous avez aussi pour les enfants euh, qui sont souvent privés d'éducation quand ils partent en Algérie et qui reviennent. Donc, quand on a une jeunesse qui n'est pas éduquée, c'est un danger, ça peut être un danger. Donc, il y a un autre problème qui pourrait être posé et qui est pour l'instant un défi, la réintégration scolaire de ces enfants qui sont amenés en Algérie pour justement qu'on ait des citoyens modèles. Alors, je disais, vous en parliez euh, de, ces conséquences euh, comme si vous étiez pour la migration ou contre peut-être euh, le fait que ces, migrants soient rapatriés. Nous sommes pour une migration régulière. La migration régulière, ça veut dire que les individus qui veulent émigrer, qu'ils les fassent dans la légalité, donc qu'ils remplissent les conditions d'entrée dans un pays et de séjour. On est contre la migration irrégulière. De la même façon qu'il y a des êtres des droits de l'homme qui garantissent la liberté d'aller et de venir. Il y a les mêmes instruments qui donnent aux États la possibilité de déterminer aussi les conditions d'entrée et de séjour à dans leur territoire. Donc, on encourage les migrants à aller dans la régularité, donc en se dotant des documents nécessaires pour le voyage. Et d'un autre côté aussi, on fait la promotion de la libre circulation dans l'espace CEDAO notamment, et pour laquelle il y a un instrument qui est signé par les États et que maintenant l'État l'État devrait faire face à ces à ces engagements. Donc, c'est pas on est contre quelque chose, une opération qui peut relever de des compétences de l'État, mais on est contre la façon de le faire. Il faut le faire de façon euh, euh, humaine, de façon que les droits humains de ces personnes qui sont en, migration soient respectés, tels que garantis par les instruments internationaux. Apparemment, l'Algérie est un pays hermétique, euh, par exemple, à la migration, même si elle, est, elle peut être licite ou régulière. Je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a beaucoup d'États, euh, si on devait parler de pays qui sont très hermétiques, qui sont fermés sur eux-mêmes par rapport à la migration, c'est bien les pays européens que les pays africains. Mais ce qui est déplorable aussi, c'est vrai que l'Algérie fait partie du continent africain et que c'est des Africains qui partent en Algérie. Normalement, euh, l'Algérie devrait aussi regarder le fait qu'on est géographiquement une même entité, un même continent et qu'il y a un certain nombre de euh, d'institutions qui nous réunissent telle que l'Union africaine, qui a une charte des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Et on est en train de tendre d'ailleurs vers un passeport unique pour l'Union africaine vers la promotion de la liberté de, la, de, circulation à l'intérieur de notre propre pays, vers la suppression des visas. Je rappelle que euh, récemment, ça a été lancé, les passeports africains, et il y a un certain nombre de pays qui ont commencé déjà à, les livrer. Maintenant, ces décisions sont très nécessaires, sont très importantes. Elles doivent être poursuivies et tous les États devraient l'adopter, pas que certains euh, retirent du, processus. Quoi. Monsieur Manou Nabara, merci infiniment. Je vous remercie. C'était là Manou Nabara Hamidou. Il est le président de l'ONG Jeunesse, Enfants, Migration et Développement, une ONG nationale spécialisée dans les questions de migration et de traite des personnes. Du côté d'Alternative Espace Citoyen, Albert Chebou, membre de la dite structure, euh, parle de graves violations des droits de l'homme et du protocole de la CDAO. On l'écoute. Albert Chebou, bonsoir. Bonsoir. Depuis presque une semaine, des migrants subsahariens font face à un rapatriement forcé en territoire algérien. Quel commentaire cela suscite en vous ici à Alternative Espace Citoyen nous sommes très scandalisés de ce qui se passe euh, en Algérie. Ce n'est pas nouveau. Hein. L'Algérie, ce n'est pas la première fois qu'il euh, rapatrie donc, des ressortissants de l'Afrique subsaharienne euh, et des Nigériens d'ailleurs aussi vers nos frontières. Donc, mais ce qui est inacceptable et qu'il faut condamner, ce sont les actes euh, de racisme et de xénophobie euh, que certains Algériens manifestent contre euh, ces migrants subsahariens. Ça, c'est inacceptable pour un pays comme l'Algérie, qui a quand même beaucoup de respect pour les Africains. Et ça, c'est très paradoxal, en tout cas, euh, la situation qui que ces migrants subsahariens vivent actuellement en Algérie. Mais l'un dans l'autre, ce que moi je peux dire, c'est que tout cela rentre dans le cadre de la logique d'externalisation, de la logique de l'Union européenne d'externalisation de ses frontières, puisque depuis euh, quelques années, euh, l'Union européenne et c'est d'utiliser les pays de départ et de transit de ces migrants pour euh, empêcher justement euh, ces migrants de partir vers l'Europe. Donc la répression aujourd'hui contre euh, les migrants s'est faite aussi bien à partir d'Agadez, qui est un point de départ aussi de ces migrants, mais en Libye aussi et en Algérie. Et la répression ne fait que s'accentuer dans ces trois pays aujourd'hui et la lutte euh, euh, contre ce, qu'ils appellent l'immigration irrégulière est en tout cas lancée. Et beaucoup de migrants, moi je, suis revenu il n'y a pas longtemps d'Agadez, j'ai rencontré des migrants subsahariens qui sont revenus de Libye. Ils ont subi des violations graves des droits humains donc euh, certains ont été agressés, d'autres ont été blessés par balles ou bien par des armes blanches, etc. Et dépouillés de leurs biens, etc. Donc ce sont ces violations qu'il faut aussi condamner. Et je crois que tout cela rentre aussi dans la politique migratoire de l'Union européenne qui euh, veut empêcher à euh, ces Africains-là de, de, franchir les portes de l'Europe à partir donc des pays de départ et de transit, comme je viens de le dire. En arrêtant le phénomène euh, de migration, c'est un manque à gagner pour euh, beaucoup de chefs de famille, notamment euh, ceux de la région d'Agadez, qui ne font que croiser le bras. Que vont devenir les propriétaires des ghettos, les transporteurs de ces migrants ici au Niger oui, justement, moi je l'explique. Hein. J'ai fait un reportage pour l'Institut Panos Afrique de l'Ouest qui est publié par certains journaux de la place et j'explique comment Agadez, justement, la répression contre les passeurs, contre les propriétaires des ghettos, contre les chauffeurs, donc les transporteurs des migrants, etc., est en train de, de se faire. Donc euh, là, euh, tout est bien organisé. D'abord, ici, déjà, il y a des, au niveau des textes même, euh, le Niger a pris un texte euh, de loi donc euh, pour euh, lutter contre ce qu'on appelle le trafic illicite de migrants. Donc cela ouvre les portes à beaucoup de dérives et c'est ce qui se passe euh, au niveau d'Agadez parce qu'on veut arrêter cette immigration-là, pas forcément vers l'Europe parce que très peu de ces migrants tentent de partir en Europe. Mais on donne l'impression que c'est toute une marée humaine qui, qui va déferler vers l'Europe et maintenant, il faut l'arrêter et l'Union européenne utilise nos pays pour arrêter, euh, pour chercher à arrêter euh, ces, départs-là. C'était là Albert Chebou d'Alternative Espace Citoyen et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.